forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h15 à Niamey et partout au Niger, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Si vous venez de nous capter, sachez que vous nous suivez à travers un réseau de vents radio partenaires disséminés dans les huit régions du Niger. Au micro, Diallo Maria Makenda, bonsoir, bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Merci de placer votre confiance en nous en préférant les programmes du studio Kalangou. Les questions qui vous tiennent à cœur, c'est toujours du lundi au vendredi, le forum du studio Kalangou, un espace d'échange d'idées, être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif avec nous le temps d'antenne 45 minutes d'horloge. Selon une enquête nationale sur l'emploi et les secteurs informels au Niger réalisée par l'Institut national de la statistique, le Niger est dans le peloton de tête relativement à l'informel. En effet, le secteur informel contribue pour environ 70% du PIB, produit intérieur brut. De plus, dans la plupart des années, la part de l'informel dans la valeur ajoutée dépasse les 60% dans le secteur primaire. Vous le savez déjà, nous avons l'habitude au cours de nos différents débats de rappeler que les femmes représentent environ 52% de la population du Niger. Elles sont à plus de 70% des analphabètes. En dépit de cette situation un peu difficile de la femme nigérienne, celle-ci joue un rôle non négligeable dans la société en tant qu'actrice incontournable dans la lutte contre la Malgré sa prédisposition pour l'entrepreneuriat, la femme nigérienne reste cantonnée dans l'informel des micro-entreprises qui visent plus la survie et la stabilité sociale que le développement. L'entrepreneuriat féminin connaît depuis une dizaine d'années une importante croissance dans la plupart des pays, aussi bien industrialisés que ceux en développement. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au débat de ce soir. L'entrepreneuriat féminin, contribution dans le développement socio-économique du Niger. Comment se présente le paysage de l'entrepreneuriat féminin au Niger? Comment travaillent ces femmes? en structure organisée, en entreprise ou dans l'informel, quelle est leur part dans la création d'entreprises au Niger et pour terminer, quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes à la création d'entreprises. Trois femmes entreprenantes avec nous dans ce studio ce soir pour en débattre. Hélène Aïka, directrice euh, du cabinet du Conseil en ressources humaines Talent Force. Bonsoir à Hélène. Bonsoir. Elle est ancienne directrice des ressources humaines RTL e Niger. Merci d'être venue à nous. Nadia Ahmed Touré, directrice euh, de Nadi Mob Dev. Mobile. Mobile, pardon, une entreprise qui suit les grossesses à travers euh, une application numérique. Elle a remporté euh, tout récemment le prix des créateurs d'applications numériques et Samira Ousmane, connue sous le nom de Samira Ben, qui évolue dans le domaine de la mode. Elle est styliste. Pour faciliter nos échanges d'idées, nous parlerons de l'entrepreneuriat de la femme comme facteur d'autonomisation et de contribution dans le tissu social. La fin de cette émission sera consacrée à la part de l'entrepreneuriat féminin dans l'économie du pays, autrement dit le potentiel économique des femmes entreprenantes dans le PIB, produit intérieur brut et les difficultés pour les femmes à être dans le formel. Nous allons donc euh, permettre rapidement à nos invités de présenter leur euh, entreprise. Je commence euh, par Hélène Aïka. Merci, merci de me donner la parole et l'occasion de présenter mon entreprise qui est toute jeune. Talent First est une entreprise qui fait du conseil en gestion des ressources humaines, de la formation et du renforcement de capacités. Créée euh, il y a juste euh, un peu plus d'un an, en janvier 2016. Euh, c'est une jeune entreprise, voilà. <laughs> Alors, Samira, Samira Ben, on va donc t'appeler par ton nom d'artiste, c'est plus facile. Et comment est-ce que vous travaillez Alors, bonjour Mariama, bonjour à tous. je suis Samira Ben Ousmane, je suis créatrice de mode sous la marque Sami Ben. J'ai créé ma société il y a 4 ans, en 2013, et j'évolue dans la mode et dans l'organisation des événements. Et euh, donc, comment est-ce que vous travaillez Alors, j'ai une équipe de plusieurs couturiers. Euh, je dois aussi rappeler que je suis en fait la cofondatrice du magazine La Nigérienne MAC, donc euh, je suis euh, une serial entrepreneur, j'évolue dans plusieurs domaines, mais on va parler de la mode puisque c'est pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui, c'est ça Oui. D'accord, donc euh, j'ai une maison de couture qui est la marque Sami Ben, nous faisons de la couture pour hommes, femmes et enfants. Je travaille avec une équipe de couturiers, d'assistants et aussi de mannequins. Donc euh, je suis en train de me lancer dans le prêt-à-porter parce qu'au début, je faisais la couture comme tout le monde, c'est-à-dire vous amenez votre pagne, on vous coud et puis on vous le remet. Et maintenant, on est en train d'innover, on est en train de se lancer vers euh, le prêt-à-porter. Donc, euh, vous aurez euh, bientôt une ligne 100% Made in Niger par une jeune créatrice sous la marque Samiben. Alors, au passage, Samira Ben, vous avez beaucoup de femmes dans, votre entreprise Malheureusement, non. Je travaille avec une seule fille qui est mon assistante. Et l'équipe de couturiers, ce sont que des hommes. Et j'ai eu à travailler avec des femmes, mais la plupart du temps, c'est des apprentis. Elles viennent en apprentissage, elles apprennent et puis elles repartent. Parce qu'il faut se l'avouer, hein, les filles nigériennes en général, elles n'aiment pas trop euh, faire euh, les métiers de main. Et chez nous, c'est plutôt la couture. Et euh, c'est moi qui dessine mes modèles, donc les coutures reproduisent. Les filles viennent en tant qu'assistantes ou bien en tant qu'apprenties. Et puis c'est tout. Sinon, Mon équipe est formée majoritairement d'hommes. Alors, Est-ce que c'est difficile pour vous de diriger des hommes pour ma part, oui. Parce que euh, j'ai eu quand même à traverser plusieurs épreuves qui ont fait en sorte que je sais comment maintenant gérer une équipe d'hommes. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai eu à être trompée plusieurs fois. Il y a eu des tricheries. Il y a eu euh, un manque de respect surtout. Parce qu'on se dit que je ne vais pas me faire commander par une femme. Et quand j'avais commencé, j'avais pas vraiment. Euh, je ne savais pas ce que c'est que réellement la couture. C'était une passion, j'aimais plutôt la mode, je dessinais et tout. Et euh, les hommes en abusaient. Je veux dire, les couturiers, quand ils venaient, ils, euh, se disent Ok, elle ne connaît rien, donc on va essayer euh, de, de, de, tricher un peu. C'était des coups bas. Mais maintenant, je, je, pense que je suis assez formée, je suis assez rodée, donc je les maîtrise, je les gère pas mal. Alors, Nadia Ahmed Touré, parlez-nous de votre application. Bonjour. Bonjour. moi, c'est Mamadou Touré Nadia. Euh, je suis la promotrice euh, de, Anagi Mobile, une jeune entreprise euh, qui est née il y a moins d'un an, comme l'a dit madame. Donc, c'est on est une jeune entreprise. Donc, nous, nous évoluons dans le développement d'applications mobiles. Et récemment, nous avons notre projet qui, qui a été primé. J'ai été trois fois lauréate lors des concours organisés ici même à Niamey. Donc, euh, nous sommes spécialisés, euh, comme je l'ai dit, euh, dans la création d'applications mobiles. nous avons un projet qui porte sur le marinage des femmes enceintes. Donc, c'est une appli mobile téléchargeable sur smartphone et tablette, donc qui permet aux utilisatrices de bénéficier d'un suivi complet et d'un accompagnement et à la maternité durant leur grossesse jusqu'à la délivrance et jusqu'au suivi à l'évolution de leur bébé. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails Oh, ça va être un peu. En fait, l'application est composée de modules. Et vous avez la consultation prénatale, vous avez euh, la gestion de leur agenda, et vous avez euh, enfin la consultation postnatale après grossesse. Donc, euh, l'utilisatrice en s'inscrivant, en, téléchargeant l'application, elle nous fournit son pseudo, un pseudo et un numéro donc qui seront eh, enregistrés dans notre base de données, donc qui va nous permettre de suivre euh, individuellement eh, la femme. La femme nigérienne est-elle plus ou moins attirée par l'entrepreneuriat que l'homme Est-ce que de nature, la femme nigérienne euh, est entreprenante comme on le voit ailleurs dans d'autres pays, Hélène oui, je pense que naturellement, la femme nigérienne, comme les, femmes, les autres femmes africaines, et euh, sont entreprenantes. Elles le sont dès le bas âge. D'ailleurs, la majorité des petites filles, euh, dans la majorité de nos, de notre, dans notre société, euh, en milieu Haussa, en milieu germain, elles font très très vite du commerce. Donc, entreprendre est quelque chose de naturel chez la femme nigérienne. maintenant, on parle d'entrepreneuriat formel. Et c'est là que se limite euh, déjà, euh, que, les limites se posent, parce que dans l'informel, c'est beaucoup plus facile, je pense. Ça demande peut-être moins d'investissement, on a un peu d'argent, on achète, on revend, on, on, rend des services, on est payé, c'est beaucoup plus facile. Dans un contexte plus structuré, comme l'entreprise formelle, cela demande tellement d'investissement. Euh, la démarche est tellement ardue. Les règles sont tellement euh, difficiles à suivre. Et il faut voir aussi que des, femmes comme euh, cette jeune entrepreneur, comme Nadia, avec cette intelligence, etc., bon, on est quand même limité, parce que plus on monte dans les niveaux, moins il y a de femmes. Alors, alors Hélène Aïka, on va donc parler euh, de vos débuts euh, dans la création de, votre entreprise, mais juste le temps de, passer la parole à, Samira Ben pour une autre question. Est-ce que vous partagez euh, cette idée, une femme économiquement émancipée C'est une famille économiquement autonome. Bien sûr, je la partage entièrement parce que dans un pays comme le Niger, déjà comme euh, l'a dit tout à l'heure Tata Hélène, on commence l'entrepreneuriat dès le bas âge. Je veux dire le commerce, il y a les petites filles qui font du commerce et tout. Et on grandit avec cet esprit-là. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Donc les femmes sont de plus en plus entreprenantes ici au Niger. Et quand on regarde les femmes qui partent à l'école et qui viennent entreprendre, elles sont beaucoup plus... Euh, elles, ont beaucoup plus de pouvoir, si je peux le mettre entre griffes, vis à -vis même de la société elles imposent leur choix, elles osent faire ce qu'elles veulent et elles sont une inspiration pour les autres. Donc je pense que la femme autonome, émancipée, qui est indépendante aujourd'hui, elle contribuera forcément au développement socio-économique de notre pays. Et je pense que c'est de là, c'est là qu'on doit mettre toute la force, parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de développement au Niger sans une implication massive des jeunes femmes et surtout des femmes entrepreneurs. Alors, euh, Nadia Mohamed, Mohamed Touré, Mamadou Touré, et vous travaillez euh, en équipe aussi, vous êtes structuré, vous travaillez avec un grand nombre de, personnes Alors, euh, comme je vous l'ai dit, la société, l'entreprise a été créée en moins d'un an, donc j'étais seule au début. J'étais assistée par le cofondateur qui le, le, comptable, en fait. Donc, l'application, je l'ai développée seule. Je suis développeur, euh, ingénieur informaticien et développeur. Donc euh, j'avais eu l'idée et j'avais commencé euh, à développer l'idée, à créer l'application. Pour l'instant, je suis, disons qu'on est quatre, dont moi, le comptable, et un agent commercial et une sage-femme qui tu nous aides dans la consultation, quoi, parce que c'est une affaire de femme, dans la santé de la femme. Donc pour l'instant, nous sommes quatre. Mais nous comptons recruter parce que, vu la demande, vous voyez, euh, d'après les statistiques, euh, les femmes, chaque seconde, il paraît que la femme nigérienne accouche. Donc euh, nous fournissons un, un service d'accompagnement à la maternité. Donc, du coup, et nous allons recruter beaucoup de femmes justement dans ce sens-là pour pouvoir accompagner ces femmes enceintes-là. Y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans le domaine de l'entrepreneuriat formel Pourquoi les femmes sont plus dans l'informel Nous vous invitons à suivre un extrait de Seydou Souley, Mamadou, directeur général d'impact.com et média entreprise qui produit l'émission Business Challenge et Agri les émissions Business Challenge et Agri Challenge. Quand vous prenez le secteur informel, naturellement, dans le secteur informel, on a énormément de femmes. Si nous considérons que toutes ces initiatives dans le secteur informel, c'est des micro-entreprises en général. Et ces micro-entreprises sont beaucoup animées par les femmes. C'est la bandeuse de beignets, c'est la restauratrice, c'est la femme euh, qui vend au marché, ainsi de suite, les commerçantes, qui vendent des condiments, qui vendent des pagnes. Donc, les femmes sont par nature débrouillardes. En fait, elles s'auto-emploient. Dans ce sens-là, oui, il y a énormément de femmes qui sont entrepreneurs dans l'âme qui ont envie d'entreprendre. Mais lorsqu'on vient dans le secteur formel, parce que le vrai entrepreneuriat qui a un grand impact, qui peut avoir un grand impact sur l'économie nationale, c'est l'entrepreneuriat structuré, formel, qui crée de la richesse à grande échelle. À ce niveau-là, on va trouver moins de femmes. Alors la raison, c'est quoi eh, Je pense que les femmes vivent énormément d'injustice. Dans tous les pays du monde, mais au Niger encore, c'est trop grave quelquefois. Je me permets de les dire comme ça. Les femmes n'arrivent pas, pour des raisons de pesanteur culturelle, euh, de pression sociale, pour des raisons même d'inégalité ou bien d'injustice sociale, n'arrivent pas à déployer tout leur potentiel. Parce que dans le parcours d'une femme, vous allez toujours trouver un homme quelque part qui va bloquer quelque chose. Ça peut être le mari, ça peut être le papa, ça peut être le frère, ça peut être le cousin. Pour cela que dans le secteur formel, aujourd'hui, quand vous prenez sur 100 entreprises créées formellement à la maison de l'entreprise, il n'y a pas 10 entreprises créées par des femmes. Un des chiffres qui a été avancé il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans par le ministère de la Population qui a fait une, une enquête sur ça, était qu'au Niger, sur 100 entreprises créées, seulement 7 sont créées par des femmes. Mais le problème se pose au plan de nos tradition au plan de nos mentalités, au plan euh, de, du comportement social. La société a tendance à toujours pousser la femme à ne pas être active. Euh, Seydou Souley Mohamedou, directeur général d'impact.com et euh, Média d'où parle euh, d'un contexte défavorable pour la femme nigérienne pour des questions de pesanteur social. Euh, sociale. Hélène Aïka, est-ce que dans, euh, à votre début, dans la création de, votre entreprise, vous avez ressenti ces, ces pesanteurs sociales Est-ce que quelque part, vous avez senti qu'il y avait des difficultés par rapport à cet aspect Pas du tout. Mais je veux dire que je ne suis pas vraiment un bon exemple pour illustrer ce que vient de dire Seydou. Ce dont Seydou parle, c'est le cycle de vie naturelle des femmes au Niger. Et les pesanteurs sociales sont clairs, les pesanteurs culturelles sont claires. Le cycle de vie de la fille, elle naît, il y a le père, ensuite il y a le mari, et puis toute sa vie, il y aura les frères, il y aura les frères du mari, il y aura toujours cette présence d'hommes qui fait que plus ou moins la femme vit dans un contexte où il y a toujours le choix de quelqu'un qui s'exerce sur sa vie. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que dans mon cas, cela soit euh, le même type d'exemple. À la création de mon entreprise, à l'âge auquel j'ai créé mon entreprise, j'avoue que je n'ai peut-être pas eu les mêmes problèmes qu'ont les jeunes femmes entrepreneurs. Je parle beaucoup avec elles, d'ailleurs, j'essaie de, de les coacher. Moi, j'ai eu une carrière, une longue carrière. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, exercé longtemps et d'avoir décidé, pris la décision moi-même euh, de travailler pour moi-même et de créer mon entreprise. Donc c'est vraiment différent. quand on parle de informel, comme le disait Seydou, en général, ce petit commerce que les femmes exercent naturellement et dans et dans la plupart des cas, puisqu'il l'a dit, il y a à peine 10 femmes sur 100 euh, sur les 100 entrepreneurs qu'enregistre la maison de l'entreprise. Ça, c'est une réalité. Mais dans l'informel, les femmes y viennent par nécessité. Quand une femme gagne de l'argent, le niveau de vie de sa famille s'élève. Ça, c'est automatique, c'est clair et c'est démontré c'est clair. Mais quand on veut créer une entreprise formelle, la démarche est totalement différente. Donc pour moi, cela a été différent. Je n'ai pas eu peut-être les mêmes problèmes. Ma décision était ma décision, c'était mon choix. Je n'ai eu que le soutien de mon entourage masculin, euh, époux, euh, père, euh, frère, enfant, fils, etc. Donc, ce n'est pas vraiment, je n'ai pas vécu ça de la même façon. Alors, si on vous demandait quelles sont peut-être les, les, difficultés que vous avez rencontrées à, à votre niveau, ou bien on, on, pourra dire, bon, ça peut été vraiment difficile. Euh, les, les, difficultés sont dans la gestion de l'entreprise, pas dans la création. Dans la création, je crois que c'est assez facile hein. aujourd'hui pour créer son entreprise. Il faut avoir les papiers en règle, aller faire les démarches qu'il faut et votre entreprise est créée. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est le contexte. Est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on fait la promotion de l'entreprise Pas seulement pour les femmes, mais en général. Et j'ai toujours dit, et je crois que je l'ai dit dans une interview d'ailleurs que Samira a faite, que l'État devrait soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers la création d'entreprises des femmes en faisant une sorte de discrimination positive, j'allais dire. On en avait discuté à un moment pour encourager les femmes à venir, pour leur donner un certain nombre de marchés, parce qu'une entreprise, elle fonctionne si elle a un marché. Donc c'est là que se pose le problème. Est-ce qu'une femme a la même latitude de rentrer, quand on voit le contexte de notre pays, pour faire des affaires au Niger, on sait comment ça se fait. Il faut connaître, il faut rentrer, il faut sortir, parfois se compromettre. Il faut appeler un chat un chat. Notre contexte euh, aujourd'hui des affaires au Niger n'est pas vraiment ce qu'il euh, dans les règles orthodoxes. Il faut faire du business, il faut connaître les gens, il faut rentrer ici. Et une femme ne peut pas faire, aller au-delà d'une certaine limite. Donc ça limite forcément le business des femmes. Et ça fait qu'elles sont dans l'informel. Elles ne retournent pas dans l'informel. Quand elles y sont, elles y restent. Mhm. Hein? Quand elles y sont, elles y restent. Nous toutes, nous achetons quoi Bijoux, habits. Aujourd'hui, comme on est avec Nadia, je vois qu'on propose des articles par euh, euh, en ligne en ligne et c'est beaucoup plus facile. Moi, je dis, je veux ça, ça coûte combien On me livre. C'est de l'informel, elle ne paye pas de taxes. Et, ça va vite, c'est entre femmes. Mais il y a beaucoup de risques liés à ça. Alors, euh, Samira euh, Ben, tout à l'heure, vous parliez de, la difficulté que vous avez eue au début, des difficultés que vous avez eues au début de la création de cette entreprise. Aujourd'hui, euh, après quatre ans, hein, qu'est-ce que, quel est le bilan peut-être qu'on peut, qu'on peut faire alors, je dirais que en quatre ans, il y a beaucoup de choses que si je les avais euh, sues su au début, j'allais éviter beaucoup d'erreurs. C'est un long parcours. Ça peut paraître court, quatre ans, mais c'est quand même long. Et euh, au début de la création de mon entreprise, contrairement à Hélène Aïka, j'avais rencontré beaucoup de difficultés. J'avais commencé aussi dans l'informel, j'avais pas de papier. Et c'était euh, par passion, comme je le disais tout à l'heure, il y avait juste une petite boutique avec un couturier, je livrais et il y a eu beaucoup de failles. Je ne maîtrisais pas bien ce que c'est que le monde de la mode. Je me suis lancée comme ça sans aucune formation. Et je profite vraiment pour attirer l'attention de toutes les femmes qui veulent entreprendre, que ce soit homme ou femme, qu'il faut au moins connaître les BABA le métier avant de se lancer dedans. C'est très important. Ensuite, il faut se former. La formation, c'est très important il faut apprendre, de ne pas avoir peur d'aller demander. Parce que si aujourd'hui je n'avais pas demandé à mes couturiers comment est-ce qu'on fait une coupe, comment est-ce que je dois tracer telle forme, je ne serais pas là. Et je suis sûre que euh, mon entreprise ne serait pas là où il est, là où elle est, Et euh, j'avais aussi euh, le problème de main d'œuvre. Comme la plupart des métiers de main ici au Niger, on a un problème de main d'œuvre. J'ai dû commander plusieurs couturiers de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, tous mes couturiers sont ivoiriens. Ils étaient supposés venir former des Nigériens pour repartir et laisser ces Nigériens-là prendre la relève. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et jusqu'à présent, je continue de travailler avec les Ivoiriens et puis les Togolais qui sont là en train de former les Nigériens qui malheureusement me laissent quand ils sont formés. Surtout les filles. Les filles veulent vite, euh, c'est-à-dire euh, elles veulent prendre l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Elles se forment quelques mois, et elles disent ok je vais aller ouvrir aussi mon atelier de couture. Ce n'est pas comme ça que ça marche et il faut vraiment euh, beaucoup de persévérance. J'ai été très persévérée. Je veux dire que j'ai beaucoup osé et euh, ça paye. Ce n'est pas encore, euh, je suis pas encore au top, mais je pense que ça, je ne, regrette rien. C'était un long parcours. si je dois vraiment donner des, des conseils aux gens, c'est vraiment de maîtriser et puis d'avoir beaucoup de passion. Alors, beaucoup de passion dans ce qu'on veut faire. Alors, Nadia, euh, vous parlez d'un an à un an de la création de, votre entreprise. Euh, vous prévoyez, tout à l'heure, vous l'avez dit, donc recruter. Cela veut dire que c'est quelque chose euh, de, très bien, c'est positif. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez le moral de continuer et pour faire, afin de grandir votre entreprise ah oui, absolument. Parce que, en fait, il y a beaucoup de les constat qui m'a qui a fait en sorte que je crée cette application. Ça me tient à cœur les problèmes liés à la santé de la femme me tient vraiment à cœur. Avant, je le faisais gratuitement. les, gens me consultaient, voilà, à grande soeur, ah, voilà, expliquez-moi. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas et ne pas créer ma start-up. Là, on propose des conseils et on propose euh, des services vraiment payants que la cliente est obligée de payer et elle sera suivie. Maintenant, par rapport aux difficultés, bon, vous savez, travailler, comme l'a dit Samira, travailler avec les femmes, ben, c'est un peu difficile, mais on ose quand même. C'est un challenge pour nous et euh, je pense que ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller. Alors aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour promouvoir euh, et encourager l'entrepreneuriat euh, féminin. Retrouvons Seydou Soulé, Mahamadou, directeur d'impact.com et médias, entreprise qui produit les émissions Business Challenge et Agri Challenge. Il affirme que l'environnement institutionnel et réglementaire est propice à la création des entreprises féminines. De plus en plus, vous allez voir dans les programmes, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des acteurs, euh, des partenaires techniques et financiers, ou bien au niveau des acteurs d'accompagnement du secteur privé, comme la Chambre de commerce, vous allez voir que l'entrepreneuriat féminin est pris en compte et encouragé. Par exemple, à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, il y a une cellule aujourd'hui qui est dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, à ma connaissance, a signé récemment une convention avec euh, l'Organisation internationale de la francophonie sur des des appuis à apporter à l'entrepreneuriat des jeunes, mais avec un grand focus sur l'entrepreneuriat féminin. Vous allez au ministère de l'Agriculture, vous allez trouver les mêmes types de programmes. Vous allez au troisième, à l'initiative 3 vous allez retrouver à la maison de l'entreprise où on fait les formalités de création d'entreprise. Il y a aussi plus d'accent qui est en train d'être mis sur l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Seydou Souley, Mahamadou, directeur d'impact.com et Media entreprise donc qui produit les émissions Business Challenge et Agri Challenge. Madame Hélène Aïka, votre préoccupation de tout à l'heure euh, est, prise en compte euh, dans cet entretien, mais vous parliez d'une autre forme euh, de, discrimination positive à l'endroit donc des femmes, de l'entrepreneuriat féminin. Oui, ce que dit Seydou est très vrai. Le cadre légal, juridique euh, est là et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ça c'est clair. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas difficile pour une femme de créer une entreprise. Ce n'est pas difficile du tout. Mais il faut aller au-delà. Quand je parlais de discrimination positive, c'est dans les chances pour une entreprise qui appartient à une femme de réussir par rapport à une entreprise qui appartient à un homme. Une femme qui a une entreprise de bâtiment, par exemple. Je ne prends pas mon exemple parce que mon exemple, c'est beaucoup plus lié à une certaine expertise, etc. etc. mais euh, une entreprise de bâtiment. Il y a des femmes qui ont une entreprise de bâtiment, j'en connais une, qui se bat, qui se bat, qui se bat. Et il y a d'autres entreprises de bâtiment. On va, est-ce que la discrimination positive serait que, comme elle est seule dans ce domaine, qu'on lui réserve une part de marché dans tout ce qu'on fait. Par exemple, les marchés de l'État. On fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on parle déjà de euh, Tawa Socola, euh, uh-huh. euh, qu'on donne par exemple la priorité aux femmes, aux entrepreneurs femmes, pour qu'elles aient ces marchés-là. Parce que pour avoir ces marchés, la démarche qu'il faut, elle est parfois, même si c'est dans un domaine structuré et formel, comme le, bâtiment ou euh, comment, le bâtiment, euh, les démarches sont plus ou moins informelles. Il faut connaître un tel, il faut rentrer chez un tel, il faut et ça, les femmes sont limitées à faire ça. Et vous le savez, c'est culturel, ça fait partie de leur nature. Une femme qui rentre partout, vous savez très bien ce que ça devient. Elle n'est pas bien vue. non seulement elle n'est pas bien vue, mais je suis sûre que pour elle-même, il y a, il y a des choses qu'elle ne peut pas, elle peut pas aller au-delà. On ne peut pas faire certaines choses. Donc, euh, qu'on donne quand même, qu'on regarde un peu plus. Les textes sont là, ils sont parfaits. Les déclarations sont là, elles sont parfaites. On va privilégier les femmes, on va donner la préférence aux femmes dans les textes et ce n'est pas difficile et cela est fait. C'est très bien. Mais il faut aller au-delà entre deux entreprises, une d'un homme, une, il faut préférer celle de la femme à compétence égale. Alors, euh, cette promotion de l'entrepreneuriat féminin n'est-elle pas euh, une façon de mettre la femme nigérienne dans ses droits et lui permettre de contribuer à un plus grand pourcentage à, l'économie de notre pays Samira. Alors, je vais rebondir sur ce que Tata Hélène vient de dire mhm. euh, concernant ce que aussi Saïdou a dit. Je pense que tout ce que Saïdou a dit dans l'audio, c'était c'est vraiment sur papier honnêtement, sur le terrain, ça ne se sent pas. On part aujourd'hui à la maison de l'entreprise, c'est la même chose, que tu sois un homme ou une femme. Tu paies tes 17 500, tu as tes NIF, ton registre de commerce et tout ce qui va avec, tu t'installes. Quand tu pars dans les banques, il n'y a aucune banque qui favorise aujourd'hui le prêt, un prêt ou bien euh, un certain financement destiné spécialement aux entreprises gérées par des femmes le cas de Asusu, c'est géré par une femme. Il y a beaucoup de programmes que Asusu fait pour les femmes. Mais quand tu rentres concrètement, dans la banque et que tu rentres dans le réseau. C'est pas ça. Les chiffres le démontrent. Aujourd'hui, si vraiment tout ce qu'on fait à la maison de l'entreprise, la cellule au niveau de la maison euh, de la chambre de commerce, cette cellule, je suis désolé de le dire, elle est vide. Je connais la directrice de la cellule. Elle est vide. Il n'y a même pas de réseau de femmes entrepreneurs qui gèrent bien cette cellule-là. Les femmes ne sont même pas soudées entre elles. On les forme, on parle, on dit qu'on est en train de faire leur promotion. Mais quand tu pars sur le terrain, c'est vide. Quand on parle par exemple, le cas des banques, aujourd'hui, il doit y avoir une banque au Niger, de la même manière dont les femmes sont entreprenantes au Niger. Et que même quand tu parles des zones rurales, les femmes sont plus primées. Quand on, parle de, création de projets, des AGR et tout ça, qu'on leur offre, il doit normalement avoir au Niger une banque destinée spécialement à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Il n'existe pas de banque tous les programmes. J'ai participé à la mission de l'EIF. J'étais là en tant qu'experte nationale en entrepreneur des jeunes et des femmes. Mais les chiffres sont clairs. 7% comparé 7% seulement d'entreprises créées par des femmes. Et ça, c'est seulement les chiffres au niveau de la maison de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans le formel. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette de, l'entrepreneuriat féminin qui est dans l'informel. Il faut que les femmes osent, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes vont à l'école. On est là en train de créer l'autonomisation de la femme. Ce n'est pas qu'une question de femme, l'autonomisation de la femme. Je pense que c'est une priorité nationale. Et cette autonomisation de la femme, elle concerne les femmes aussi bien que les hommes, parce que c'est les hommes qui sont aujourd'hui les décideurs dans un pays comme le nôtre, où il y a cette lourdeur religieuse, cette lourdeur culturelle et aussi cette lourdeur sociale. Je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent être changées. Et si c'est sur papier, il faut que ça se sente sur le terrain. Il faut qu'on sensibilise d'abord les hommes et aussi les femmes pour que cette question de l'autonomisation de la femme soit vraiment réelle au Niger. Alors, donc, Samira Ben, tu auras l'occasion à la fin de cette émission de, de faire peut-être un plaidoyer, <laughs> même si tu as déjà, tu déjà avancé. Alors, euh, Nadia, euh, par rapport donc à cette question de mettre euh, les femmes dans leurs dans leur droits à travers l'entrepreneuriat féminin, est-ce qu'on le sent on, sent qu'à travers cette promotion peut-être de l'entrepreneuriat, les femmes, elles, entrent dans leurs droits ah oui, vous savez, comme l'a dit Madame Hélène, euh, l'entrepreneuriat reste un domaine euh, réservé aux hommes. Et peu de femmes s'y intéressent. Donc, nous, à travers euh, les exemples, comme l'entreprise de Madame et l'entreprise de Samira, en tout cas, et votre, entreprise aussi. Oui, la mienne. <laughs> voilà. Mais ben, on espère que beaucoup de femmes vont nous emboîter le pas parce que la femme nigérienne, euh, je pense qu'on a du talent. On a énormément de talent et euh, ben, je les encourage euh, à nous emboîter le pas. Alors, les femmes nigériennes sont beaucoup entreprenantes, mais ont-elles des potentialités pour être de véritables chefs d'entreprise Je vous propose de suivre un extrait d'un discours prononcé par Madame Meida Zinabou, présidente directrice générale de Niger SA, une société qui est leader dans l'industrie laitière. C'était à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la dite entreprise en 2014. Et nous avons fait le pari ambitieux de créer une industrie agroalimentaire digne de ce nom, basée sur des ambitions qui s'appelle apporter la négation à la médiocrité, lutter contre les carences institutionnelles au sein de la population nigérienne, participer à améliorer le soutien nigérienne nigérien, redynamiser le secteur de l'élevage. Mais ce pari reflétait non seulement notre foi inébranlable dans l'avenir de notre pays, mais aussi notre volonté ferme de changer profondément, de révolutionner le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et c'est sans compter que ce Paris, désormais historique, était le fruit d'un rêve, d'une éducation et d'une vision. Propos recueillis par le groupe de presse euh, Tambara les femmes sont belles et bien capables de diriger des entreprises et de les faire grandir. D'autres exemples avec Seydou Souley, Mahamadou, directeur d'impact.com. Elles peuvent avoir les coups de franche pour entreprendre, pour être des capitaines d'industrie, pour être des patrons. On a des domaines dans lesquels a les femmes ont fait leur preuve. Par exemple, le domaine de l'industrie laitière. Il y a des femmes qui se distinguent. Quand vous prenez une femme comme Madame Meida, femme comme Madame Jory, effectivement, Madame elena, vous prenez un peu de la microfinance, hein, des dames comme euh, Rek Moussa. Les femmes ont du potentiel. Aussi longtemps que la société va continuer à considérer que le rôle de la femme, c'est dans la cuisine, nous aurons des problèmes économiques. Et ça, c'est une réalité aussi. Lorsque les femmes gagnent de l'argent, lorsqu'elles se développent, ça a un impact social plus important que lorsque c'est un homme. Et ça, c'est connu de tous. Donc, c'est des réalités qui font qu'il faut qu'on travaille. Et comme vous le dites, ça commence dans la famille. Et je ne le dis pas par démagogie. Je suis sûr et certain que les femmes sont beaucoup plus compétentes que les hommes. Ça, c'est sûr et certain. On le voit. Qui gère nos foyers qui, qui, qui arrive à la fois à gérer l'école des enfants, à gérer le foyer et à aller faire son travail Une femme peut faire tout ça en une journée. L'entrepreneuriat donc féminin pourrait être la solution vers une croissance de l'économie du Niger. Nous sommes tous d'accord que ces femmes sont capables. Hélène Bien entendu. J'ai beaucoup aimé ce que Madame Meida a dit dans, dans son discours à la fin. Elle a dit qu'il fallait un rêve, une éducation et une vision. Et c'est exactement ça. Et pour avoir tout ça, encore une fois, la clé, c'est l'éducation si on améliore l'éducation des femmes, si plus de filles vont à l'école, si elles terminent leur cycle primaire, leur cycle secondaire, qu'elles vont à l'université, les compétences dont parle euh, mon ami Seydou, euh, elles sont réelles, c'est clair. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes sont plus compétentes que les hommes, mais je crois que les femmes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. je n'en parle pas en termes de comparaison, mais les compétences des femmes doivent contribuer à l'essor économique de ce pays. Et tant que on ne laissera pas s'exprimer ses compétences, ses énergies, je crois qu'on aura toujours des problèmes. Et pour l'instant, mon avis est que ne laisse pas s'exprimer ses énergies. D'un autre côté, je pense que les femmes ont un rôle à jouer. Comme l'a dit Nadia, il faut que nous-mêmes, on, sache où est-ce que nous voulons aller. Il y a une élite Madame Meida, elle est de la première génération de femmes qui ont réussi son entreprise et d'un autre niveau. Euh, il y a d'autres femmes qui réussissent et qui, sont beaucoup moins visibles. Il y a des femmes qui, gèrent des, cabinets des cabinets médicaux. Elles font partie donc de ce tissu économique. Euh, il faut que ces femmes travaillent en réseau il faut que nous nous accaparions de cette cellule des femmes à la chambre de commerce qui n'attend que d'être remplie. C'est vide, oui, je suis d'accord avec toi, Samira, c'est vide, mais elle n'attend que d'être remplie. Alors, nous travaillons chacune en silo dans notre entreprise, mais quand est-ce que nous allons enfin fédérer toutes ces énergies, toutes ces intelligences Quand je travaille avec des solutions digitales comme celles que Nadia développe, euh, c'est la première fois que je vois Nadia. Je ne savais pas qu'il y avait une femme qui le faisait. Eh bien, je préférerais travailler avec une femme, ne serait-ce que pour lui donner l'occasion d'exprimer donc son talent. Donc, mettons-nous ensemble, travaillons de plus en plus ensemble. Et il faut quand même commencer, avant de demander aux autres de changer leur façon de faire, changeons la nôtre. Commençons à travailler ensemble. Nous savons toutes autour de cette table à quel point il est difficile de travailler avec les femmes. C'est vrai que c'est difficile de travailler avec les hommes, comme tu l'as dit, mais c'est très difficile de travailler avec les femmes. Euh, au début, moi, je sais que j'ai participé, j'ai contribué un peu à fédérer les femmes, à les mettre dans des groupes WhatsApp et tout ça, à réaliser certaines choses ensemble. Ça n'a jamais réussi. Ça n'a jamais. C'était très très difficile. C'est-à-dire, on bat, on bat, on bat, la crème monte. Alors, et on la voit et puis elle, tombe. La, difficulté, c'est quoi Ces femmes euh, n'ont pas une même vision. C'est des questions. Ça manque de la mentalité. Ça manque de vision il y a peut-être d'autres pesanteurs propres aux femmes derrière, mais il est certain qu'il faut que nous changions nos caractères. Euh, il y a beaucoup de femmes comme Samy, comme Nadia, qui représente quand même un noyau, qui pourrait être une masse critique pour changer les autres. Parce qu'on veut changer la société. On veut changer la façon dont les hommes gèrent la société. Parce que le pouvoir est encore entre les mains des hommes. Mais il faut qu'on commence à changer nous-mêmes, à voir les choses différemment. Et moi, je dis que c'est à nous que nous devons ce changement. Et moins aux hommes. On peut réclamer. Mais si on ne nous entend pas, alors prenons, prenons cette chambre de commerce, allons-y. Moi, j'y suis allée. J'ai été très, très bien reçue. On m'a demandé de m'inscrire. Je me suis inscrite. Mais venez, prenez-la. Remplissez le vide qu'il y a et constituons cette masse critique qui va forcément peser sur le tissu économique du Niger pour qu'enfin nos entreprises, on puisse voir et que dans son émission, Seydou puisse parler un jour de voilà la contribution des entreprises dirigées par des femmes dans l'économie du Niger. Pour l'instant, ce n'est pas visible. Alors, euh, Samira, euh, quel est le changement euh, qu'il faudrait à, ces femmes au, secteur pour pouvoir plus les maintenir ou les faire venir dans le secteur formel les faire venir dans le secteur formel. Alors, je pense que la priorité, en fait, ce n'est pas de les faire venir dans le secteur formel. Je pense qu'il faut d'abord nous organiser, c'est-à-dire former d'abord un réseau de femmes solidaires. Chacune, c'est vrai que chacune a une vision, chacune a là où elle veut, elle se projette dans l'avenir. Mais je pense que si on ne vient pas ensemble, si on ne travaille pas ensemble, comme l'a dit Tataï euh, Tata Hélène, ça ne pourra pas marcher. Parce que Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus discriminées. Samira, tu as 30 secondes. <laughs> ok, d'accord. Alors, euh, pour les, pour les, donc je parlais d'organisation. Il faudrait qu'on s'organise, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille en synergie et qu'on montre aux hommes pas seulement qu'aux hommes, à, tout, le pays, à la société, que les femmes peuvent faire quelque chose, que les femmes osent. Parce qu'aujourd'hui, on innove, on crée, il y a du potentiel qui est là. Et je pense qu'on a juste besoin de mettre ça en avant pour qu'on puisse avoir plus de voix et que les gens puissent savoir que vraiment les femmes dans ce pays-là sont aussi sérieux et qu'on veut vraiment faire, amener ce changement qui tarde à venir encore dans le pays. Alors, alors Nadia, Nadia, mot de fin alors, euh, bon, euh, en fait, euh, ce que et Madame Hélène a dit et Samira, elles ont presque tout dit. Donc, euh, <laughs> je vais vous remercier et, dire, par exemple, comme l'a dit Samira, par exemple, créer le réseau, le réseautage entre femmes. Et comme l'a dit Madame Hélène, remplir, pourquoi pas ne pas remplir la cellule femme euh, dans la chambre de commerce. En tout cas, nous sommes prêtes à vous <laughs> accompagner et on est là. Euh, nous sommes toutes oui. Voilà, nous sommes toutes oui. Et on est membre de la chambre de commerce. D'accord. Donc, euh, on, vous, on va vous <laughs> emboîter le pas, on va y aller, ça c'est sûr. Et vive, la femme, quoi. Vive la femme. et bonne chance, à, toutes les femmes. Les femmes nigériennes sont très entreprenantes euh, dans le secteur formel. Elles sont peu présentes à cause des difficultés qu'elles rencontrent dans la création, mais aussi dans le maintien des, entreprises. Le passage dans le secteur formel nécessite donc euh, euh, des formations et aussi des facilités pour ces femmes. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.